li waral tey waxtaan wi weddi ko du ragal waxuma ak ñi wax mais ñi dégg te xamuñu ñoom lay waxal dafa am parti bu ñu nekk muy parti démocratique Sénégal ñu def ay renouvellement def mu ma nekk président section bi am lu fi jotoon jaar ay nit yoo xam ne nii tekkiwuñu dara taxaw ne man damaa génn parti démocrate Sénégal parti démocrate Sénégal bu doon bët la mooy li ci ñuul maay li ci wax kenn mënu cee dem bàyyi sa morom dafa am ñoo xam ne dañ ni man comme parti bi dafa jëm gauche ma jëm droite moo tax man maa génn sama bopp ci parti bi waaw dafa am ñoo xam ne nii ñoom voté local yi yàggul pourtant voté local yi candidat euh, PDS amoon na candidat wala amul woon candidat nu tudd docteur Cheikh Dieng ku ñuy wax Sidi Sall ak Jibi Jaata kon àndaloon Modou Gueye waaw kooku est-ce que kooku am na lu ma war a wax moom ñoom pare ne wuñ sax parti bi kooku gëm nañ parti bi wala gëmuñu parti bi ñooñu gëm nañ parti bi wala gëmuñu parti bi Jibril moo bind avant parti bi joxe joxe joxe joxe décision mu ni moom bu parti bi àndee Amadou Ba dafay démissionné kooku ba mu demee yàgg na mu munu ma jaaxal keneen na ma jaaxal mais du moom man li may wax tey mooy man PDS laa gëmoon démb moom laa gëm tey te subat moom laa gëm incha allah parti démocratique Sénégal un parti parti un parce que on a pu constater depuis ces jours passés des hommes tapis dans l'ombre qui sont en train de sillonner la commune de Djiddah Thiaré pour faire une campagne de désintoxication euh, envers le président Morias les élections présidentielles que nous venons tout juste euh, de terminer il y a le président Morias qui avait donné son soutien au candidat Amadouba. Depuis ce jour-là, ces gens-là, ils se sont précipités en disant que le président Mornias a quitté le parti. Or que le président Mornias n'a pas déclaré comme quoi que c'est la section qui va soutenir Amadouba. Mais il a déclaré que lui, en tant que Mornias, il va soutenir le candidat Amodoba. Les gens, ils se sont précipités, ne serait-ce que ce sont des détracteurs qui ont, depuis qu'on a mis la section sur place jusqu'à présent, ils ne s'arrêtent pas à chaque instant d'essayer de faire de leur maximum possible pour déstabiliser le travail que le président Mornios est en train de faire. Si ces gens-là, qui se proclament comme les membres du section et qu'eux, ils ne sont pas des titulaires au niveau de la section, nous disons que c'est peine perdue. On va continuer notre travail que le président Mornios est en train de faire au niveau de Djid de À chaque instant, le président Mornios répond toujours présent à la population de Djid de Il est toujours le président et il restera toujours le président de la section du Djid de